ba banza ba kun ji ko wannan waka da muke nan gama yara manyan gobe ba banza ku bi mu so da cikin wannan shirin namu na tusa alafara za ku gane me yasa muke nan muna musu waka yara manyan gobe sannun ku da zabu kan shirin na tus la fada da fatan kuna lahiya a cikin gidajen ku on micro votre ami de toujours Rabia Mai Kano kun gane dai wannan shirin namu na matasa ne mais la fada tient aussi à être aux côtés des plus jeunes Chez jiya aka yi sallah ranar da aka keɓe ma yaran Africa 16 juin cette année il est question de l'accès à la justice des enfants comment leur garantir un accès sûr on peut dire à la justice wa'annan yaran in su suka yi laihi in su ne aka ci hakkin su a kane harkokin su na kotu menene ke faruwa wace doka ce ke kare su comment ça marche la justice pour les mineurs à la fada on veut tout savoir sur cet univers qui est quelquefois flou c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons installé cette fada. Ici même au siège du studio Kalango, nous savons avec nous, restons avec euh, Hamad Issa Aïchatou, CNJ, nous sur le cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Ça va Aishatou Tu vas bien Merci d'être sur tous à la fada. Nous avons Frera également de la même structure, c'est CNJ Frera Yake. Ça va Dadama, nous avons l'honneur de recevoir euh, un grand monsieur, <laughs> son excellence, <laughs> Mamadou Issoufou de Prisonniers sans frontières. Monsieur Mamadou, ça va Vous allez bien Bienvenue sur Tout ça la Fada. to kuma a wannan mon muna tare da Guillemette euh, Lonoy. Elle de grandir dignement. Ça va Guillemette Tu vas bien Soyez les bienvenus sur tout ça la fada. Ben voilà, dans cette fada, nous aurons de la musique. La chronique de la fada, qui sera présentée par euh, Mr. Oli, notre chroniqueur de la fada, et aussi la rubrique. Ça, c'est l'affaire de Dandy. Cette année, à cause de Madame Covid, Rana Akakib et ma Yara Africa étaient moins festives. Hein. Mais bon, pas d'inquiétude, shugabannin kasashen Afrika, masana da kungiyoyi masu kula se sont tous penchés sur euh, comment garantir l'accès à une justice adaptée aux enfants. À Maradi, c'est une conférence publique qui a été organisée par les défendeurs des enfants. Écoutons le reportage de Mohamed Maman. Animé par le juge de mineurs du tribunal de Maradi, cette rencontre s'est apaisantie sur les dispositions prises par le Niger pour garantir et protéger le mineur face à la justice. Pour le juge Armayaou, la justice pour mineurs est plus humaine que celle des adultes. D'un point de vue procédural, l'interpellation, la garde à vue, l'audition, les poursuites, les déferments et l'instruction d'un dossier du mineur est totalement différent d'un dossier qui concerne une personne majeure on sait qu'il confère plusieurs garanties à ce mineur-là et que ne pas respecter l'une de ces garanties fait annuler complètement la procédure. Les jeunes, tous munis de leur bavette pour respecter les mesures de lutte contre le coronavirus, ont écouté le juge. Bachar Dambaba dit sortir grandi de cette rencontre. J'ai trouvé ça assez intéressant euh, au, point où ces genres de conférences doivent être vulgarisées pour que un maximum de jeunesse sache que euh, la justice des mineurs n'est pas la même que la justice du commun et que les jeunes ont droit à beaucoup plus de protection euh, en termes euh, des affaires judiciaires. Pour dire vraiment, je sors bien ragaillardi sur ce point. Pour sa part, Salamatou Abdelwahab dit avoir retenu des dispositions et mesures pour protéger le mineur en infraction. Elle explique. J'ai retenu aussi que malgré, malgré ce qu'il a, qu'il a fait comme bêtise, il y a des choses qui ne doivent pas être mentionnées dans le casier judiciaire d'un enfant. Quand il y a, par exemple, un divorce entre ses parents, maintenant, au moment de choisir s'il va vivre chez sa mère ou bien son père, le juge est là pour l'accompagner à prendre une bonne décision. Après plus de trois heures de conférences faites d'exposés et de questions-réponses, les participants à cette rencontre ont retenu que le jeune en conflit avec la loi bénéficie d'une protection spéciale du fait de sa situation de vulnérabilité. Voilà, c'était mauvais moment depuis Maradi. yanzu mun ji wasu juge des mineurs comment ça se passe la justice avec euh, les enfants ben de ce statut là euh, juridique qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le statut ici au Niger des enfants euh, je pense que ce que je peux préciser d'abord, c'est qu'un hum, enfant est pénalement responsable au Niger à partir de 13 ans, donc de 13 à 18 ans, ce qui veut dire que si un acte est commis avant 13 ans, l'enfant ne peut pas être déféré à la maison d'arrêt. C'est vraiment légalement à partir de 13 ans qu'on est responsable de ces actes. La chose que je peux dire sur le statut juridique, c'est que c'est hum, euh, en fait c'est une justice qui est censée être adaptée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc par rapport à la justice des majeurs où ça peut être un peu plus en théorie répressif, ici le but c'est vraiment de se dire que l'enfant est en développement, que c'est encore quelqu'un qui apprend et que en fait un enfant qui se retrouve en conflit avec la loi, c'est que quelque part une assistance n'a pas été effectuée. Soit il y a peut-être une défaillance de la famille, soit en tout cas son environnement n'a pas été propice à son développement. Vous disiez monsieur Mamadou Issoufou Non, j'ai dit très rare de voir, euh, enfin je n'ai pas souvenance mhm. d'avoir euh, rencontré des jeunes de moins de, de 9 euh, ans, de 13 ans, prison. Mhm. Mais ben, ça peut arriver effectivement. Mais certainement pour des délais très courts. Mhm. Ok. Bah. Et, souvent, il faut se dire que souvent, les, les jeunes, il y a beaucoup d'enfants aussi qu'on met en détention et pour les protéger pour les protéger souvent de la ah populaire. Ok. Donc, euh, euh, souvent, cette détention, c'est surtout une garantie de survie pour le jeune. Ok. Voilà. Ben voilà, donc, nous savons bien euh, que le Niger a ratifié en septembre 90 la Convention relative aux droits des enfants CDE. Hein? La Convention internationale relative aux droits des enfants, c'est une convention qui, n'est-ce pas, qui met en œuvre ou bien qui lutte contre la discrimination. Elle a quatre principes fondamentaux. Il y a le premier principe qui est la non-discrimination, le suivi et le développement de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant et la participation. Mais au Niger, on remarque que la discrimination, on ne peut pas on peut pas passer de ça. Il y a une discrimination, puisque même entre les enfants, il y a une discrimination. Parce que la CDE définit l'enfant comme étant toute personne, fille ou garçon âgé de moins de 18 ans. Alors que, comme euh, notre sœur vient de dire, que les, les mineurs, oui, les mineurs âgés de moins de 18 ans, âgés de moins de 13 ans sont pénalement irresponsables. C'est l'article 45, je crois bien, du Code pénal qui le dit. Il y a aussi le suivi de l'enfant qui n'est pas respecté. Le suivi, le suivi et le développement de l'enfant et son intérêt supérieur aussi qui n'est pas respecté. On peut hmm. dire que les, les conventions-là, on les a, mais ah. l'application est très minime. OK. C'est ce qu'on a remarqué en tout cas. Mais d'accord, quand j'ai un CNJ kaman doka na manya-manyan kasashe ma da suka dauka kuma da dokan ma da ya kamata a ce tana aiki tana kare wannan yaran kariya ba ba ko ina bane kuma ba kullum bane kuma ba to yanzu ku wa'annan matasan kuna ganin su ku prisonniers sans frontières, ko Muhammadu Yusuf kuna ganin su wannan matasan da ake kaiwa ko wanda suke kai kara ana kula da harkokin nasu que cikin ita wannan convention kin dai el stipule que a kula da harkan su in sun kai kamar kara de prendre ça en compte de suivre leur cas et tout suna samun wannan suivi kin ko kare sai hankali in akwai masala ana kai kara gendarmerie ko police mhm. mais ba directement justice c'est très rare Directement hmm. ce directement justice ne à ta a donc eh, mu a muna aiki bisa prison Sans eh, au niveau des, des maisons d'arrêt et eh, au niveau des tribunaux enfin tribunal co tribunal co maison d'arrêt hmm. jeune ko y yow yau cas an des cas dai kawo zancen discrimination ne donc ana ce discrimination plutôt positive ne ok puisque donc eh, donc donc mm-hmm. sont sont sont sont protégés matasa mm, sont carré matasa protection de matasa ok voilà mm. donc on c'est plutôt une discrimination positive ça va voilà de la prise en charge de leur cas eh, discrimination ensemble yara da ba su kai shekara uku goma mhm. sha uku ba goma sha uku ba ba a yi pursuit din su ba a like su kuma an ce kan a yi shekara goma sha takwas kuma eh, kuma wannan convention ya ce yaro da zero a 18 ne ya kai ala ashirin ba biyu do wala don ko wannan discrimination ne shi ma wala hmm. to yanzu muna so mu sani ban da wannan akwai kamar abubuwan da kuke gani bisa kan teren kamar akwai rashin kulawar da ake musu in aka zo aka kama su wani prison charge kin kakin su ma ko an ce akwai matasa da da ake ganin su a kaso irin wannan da ba a yi ma jujjaman ba an an kai su an liƙe su me za ku cin buskan wannan abun prisoners sans zan ƙara dawa gare ku hallo eh wannan shine a ce ma preventive Okay. Comment euh, collègue dita eh, jeme ta Tahodi Mm. Preventive ne. Akwai su akwai ana ana ana ana Mais euh, souvent au bout de 4 5 6 mois la plupart ana ce qui su. OK. En procédure yakare. Souvent même avant avant ça avant jugement suna samun liberté conditionnelle Mm. Voilà zan mu dawo tare wa'annan mun gaita amma yanzu kan mu ci gaba da wannan shirin namu zan mu shurari rubrikin dondi mu shi da wani artist ne cette fois-ci yayi hira Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen, nous vous souhaitons la bienvenue, la bienvenue sur votre rubrique intitulée Covid-19, l'artiste s'exprime. Le coronavirus est encore là, la pandémie n'est pas finie car le virus circule toujours. Nous, surtout Salafada, à travers la rubrique euh, Covid-19, l'artiste s'exprime. On continue le combat contre la maladie tant qu'elle continuera à se propager. Nous serons des tchés contre le Covid ou la Covid-19. Aussi, vous le savez, on reçoit à chaque fois un artiste chanteur impliqué dans la lutte contre la Covid à travers une interview. Cette semaine, ladies and gentlemen, nous recevons un taureau, un dinosaure de l'Est. Et oui, il est appelé ainsi dans son fief, la capitale du Damagaram, la ville des mille collines. La musique dans toutes ses formes et dans ses dimensions, l'artiste est pétri de talent. Il a chanté dans le temps Aouré, un artiste qui n'est plus à présenter par ailleurs, membre du bureau régional Zender de l'association des auteurs-compositeurs, interprète des métiers de la musique à Il est en ligne avec nous pour parler du coronavirus, des actions artistiques menées dans ce sens au sein de la capitale du Damagaram, Zender. Chers amis auditeurs, recevons Alia Chibili. La voix le porteuse, portaise, elle est par la jeunesse zenderoise, allez écouter par la jeunesse nigérienne. Eh, puisqu'il s'agit évidemment de notre taureau national. Ali Chibili. Hattara Covid-19. coronavirus coronavirus ta daban ta da magani Sandi, bonjour. Bonjour Ali, comment tu vas Oui, ça Alors, va, merci. On est de Magani. Alors, quel serait ton ah, mot à l'égard des jeunes qui écoutent sur cette émission à travers nos radios partenaires pour leur dire que cette maladie, bata de Magani, bata de Magani. Oh. J'ai déjà parlé mhm. à Imam Tanassi. Tuta ce ta zamani babu sadaka ba mai kudi. Aha. Kowa na take, takai yau lafiya ake ta tattali. Okay, kenan yana kama yana kama talaka yana kama mai kudi yana kama mace yana kama namiji yana kama bakin mutum yana kama yana kama hori kuma ah haka nan ne <laughs> Ali, on le sait que tu as toujours été un artiste engagé contre. Euh, comment se résume euh, ton combat dans la lutte contre le coronavirus en clair Qu'est-ce que tu as apporté comme contribution euh, aux personnes en tant qu'artiste qui lutte contre cette pandémie à Zender et au Niger dai mutum da ma ba da eh, ku bani wannan dama in yi magana ba su wani studio kalangu na farko dai eh, muna ba da gudunmu sosai fuskan wannan yaƙi da wannan alloba ta covid-19 ko a ce ko mu ce cutar lumwashi mm-hmm. eh, da wani dai ni dai lokacin da aka yi ta ɗan bazu ta shigo na yi waka fuskan coronavirus na jama'a na gama jama'a ke wannan cutar kowa sani batul magani matakai ɗaya ne kamata mu doka matakai kamata mu doka na kare kanmu da wannan cuta na ci batul magani ke dole na ci matakai da mu kare kanmu kare mu jiji na ga mutane kamar da koyar da kowa ke hodi a wanke hannu a sa mask kuma dan ja bayar mutane a tsawon metri ɗaya ko metri biyu ga sassa sa metri kuma da mutum metri kare kanka <laughs> wannan maganan <laughs> ka a kushi Allah tibiri Oui, donne.

masu ƙarfi ma masu ƙarfi ma kasashe masu ƙarfi ba ta bar su ba ba ta mu talakawa ba ta wa ba ta su kasashe talakawa da ba ta abubuwa jiwa. kenan mun yi hattara da duniya ma masu komi da komi masu duka wani matakai wani kayan aiki su ba ta bar su ba to kenan mutane su hattara kar ka bari ta kama kawai shi ne ba ruwanka da cewa wani aiko da aka yi yin da aka yi kaza kai kai dai kare kanka kawai. C'était donc à l'instant Ali Chivili depuis la ville des villes, colline depuis Damagara. Ladies and gentlemen, c'est votre rubrique. que euh, L'artiste exprime Covid-19. Eh bien, l'émission tout à la Fara, c'est dans un instant. Restez en notre compagnie. Hey. Eh. Alborei, de Borei, Boromen Kambanyum Respectons les gestes de barrière. On connaît agit. Retour à la FADA. Ce soir, il est question de l'accès à la justice des enfants. Quand ils sont en tort, quand ils sont victimes, comment ça marche pour eux la justice Nous sommes avec de Grandir dignement. Nous sommes avec euh, Issa Aishatou du CCNJ également. Merci bien, merci d'être là sur la FADA. Donc, yanzu bari in zo gare ki furera su dai wannan matasan kuna tare da su waɗanda ake incarcéré CCNJ vous le représentez aussi quand l'enfant est victime vous êtes à ses côtés une procédure qui est avocat da ya kamata a ce défendre kin qui est ko wani abu vous l'accompagnez juste dans ce sens oui, puisque même la fois dernière, il y avait un cas. Il y a notre secrétaire permanente qui a assuré tout. Elle a accompagné l'enfant là dans, les procédures du commissariat jusqu'à... C'est avec l'appui de la CONID ok mun gani dai hotunan wani malami ne da ya ba yaran kashi da abun ta yawo dai kan yanar abun gani J'aimerais bien savoir comment ça se passe, Guillemette, euh, quand euh, les enfants sont maltraités comme ça, qu'est-ce qui se passe pour eux C'est quoi la procédure Comment ça marche euh, En fait, je pense qu'il faut faire une distinction entre les, les enfants qui sont en contact avec la loi donc ces enfants-là, c'est ceux qui sont victimes, qui peuvent être des enfants en danger, et les enfants en conflit avec la loi, donc ceux qui, sont, euh, qui peuvent euh, faire des actes contre la loi. Il y a tout normalement un système national de protection de l'enfance qui passe notamment par les, directions régionales de la protection de l'enfance. Donc un signalement doit être fait pour qu'après ils puissent avoir toute une prise en charge par des travailleurs sociaux. Et c'est là où en fait le juge des mineurs, il a à la fois un rôle euh, de sanction, mais aussi un rôle de protection. Et donc le juge des mineurs peut choisir aussi de de, des mesures en fait de protection pour l'enfant. Ça peut être de l'écarter de sa famille, ça peut être plein de choses, mais... C'est CNJ. Euh, cette fois-ci tu vas parler. <laughs> Comment tu trouves la prise en charge de ces cas, de ces enfants, quand ils sont maltraités il reste, euh, on a encore du chemin à ce stade-là. Eh, gaskiya akwai saura akwai sauran aiki saboda yaran wannan gaskiya akwai saura saboda yaran wannan ba su nan ga samun prise and charge kin yadda ya kamata ba a nan ga ɗaukan nauyin su sosai yadda ya kamata for example akwai waɗanda maratar su ko kuma eh, can waje mm. for example can almajirai masu yawo lungu-lungu sako-sako wannan suna bara tare da malamansu da me da me da sauransu akwai waɗanda har yanzu ma ba a ma san ana yi ba a ne suke yin shi me mm. mu menene muna yi moins hongrois. Oui, c'est ça. Moi, ma copta. Bah, hein, ma copta, monsieur tout le monde. en fait. tout le monde. Mouna gani, mouna ji. Ba mu magana. Yanzu ana samu mutum dubu da za su da ce maka anguwana akwai yaro da ana ana yi Mais Me baki samu mutum biyu da suka ce mun tai komisariya mun yi denoncer po, police ba Donc on est tous complices malheureusement yaran nan eh, masu bara suna gansu wala su malimai suna gansu su ne ma ya kamata suna yi su sai da yaro 'yan talibe su yi mishi magana su samu bayani bisa kan makarantar su ba makarantar su me ita in ta sai da eh, 'yan mandiyan 'yan bai voilà donc on est tous responsables en fait tout le monde doit se faire eh, doit revenir sur ce point et se dire que c'est l'affaire de tout le monde. Oui, c'est l'affaire de tout le monde. Et comme euh, Monsieur Mahmoud Issoufou l'a dit, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. On est soit complice, on ferme les yeux face à ce que traversent ces enfants. Chacun peut réagir et chacun peut amener, peut mettre son grain de sel pour améliorer les conditions de vie de ses enfants. Donc, yanzu da euh, yara euh,

yara kaman kuma shekara shida ke aiki ku ne shara saboda kuna da kyawo aka tsane ku ba ba saboda kuna da muni aka tsane ku ba komi kuka yi sai a ce ku da shi in zuwa la kulle ku da shi cin abinci mai daɗi ku da shi cette fada. On veut comprendre comment ça marche la justice pour les enfants, l'accès à la justice, un souci in su ne comment ça se passe? pass wa'annan yaran wace doka ce kare su wani doka na kare su da kyau ba ta kare su da kyau shi yasa yau muka gayyaci furera aliu, tana ccng ccng dai kwatanta mu ita da kungiya ga to kungiya ce dai ta abun nan mai nous sommes avec M. Mamadou Issoufou de Prisonniers sans frontières sous les Massou. Nous sommes également avec euh, Guillemette euh, Lonoy. Elle est de grandir dignement. Mais <laughs> voilà la dernière question de cette fada parce qu'elle tire à sa fin cette fada. En fonction de ce que vous voyez hein, sur le terrain, de votre expérience sur le terrain, si on peut connaître les limites le système judiciaire quand il s'agit des enfants de ce pays-là Avons-nous assez de services de prise en charge de leur cas Je commence par toi. donc, si nous prenons sur le cadre juridique, la principale limite qu'il y a à ce niveau, c'est qu'il n'y a pas une harmonisation des textes. Chaque, euh, comment dirais-je, et chaque structure a sa propre définition de l'enfant. ne sont pas conformes aux, traités internationaux. C'est même ça le véritable problème. Euh, je suis d'accord avec Monsieur Mamadou. Je suis d'accord avec elle, mais il faut dire aussi qu'il y a une euh, certaine euh, insuffisance dans, surtout en ce qui concerne le suivi post-carcéral parce qu'il y a beaucoup d'ONG, d'associations qui essayent quand même d'aider les jeunes. Il y en a pas mal quand même. Hein Ils essayent <laughs> d'aider les jeunes durant leur temps de détention. Et souvent, qu'ils leur euh, apprennent euh, à faire un petit métier, à apprendre un petit métier. Mais euh, ces ONG, ces associations ne peuvent pas suivre l'enfant une fois dehors pour qu'il puisse se réaliser. Et c'est difficile, justement, que c'est le point le plus sensible parce que un jeune, euh, quand il va en prison, normalement, à sa sortie, il, il est quitte avec la société. Il a, il a payé sa dette. Ouais, ouais. Euh, mais c'est ça. Mais l'insertion est difficile. Ouais. Frère, To gaskiya gwamnati ma ita da kanta cikin wannan situation kin ta mai prévoir prevoir a ɗan sa su aikace-aikace na kirki wanda za su samu su koya mhm. saboda bayan réintégration in su cikin society su samu su samu pour qu'ils puissent respecter les normes nationales eh, tous les tests d'ailleurs euh, prévus don su samu su wannan su samu image in kirki cikin society to yanzu grandir din yaman zan dawo ga riki gemet maintenant qu'est-ce que tu peux apporter comme euh, éclaircissement par rapport à comment ça se passe ici à, ton avis, c'est assez acceptable ou euh, on a vraiment du chemin dans la prise en charge des cas des enfants et puis la protection des enfants et tout ça Je pense qu'on est vraiment au début du chemin. Il y a, hum, en gros, le, cadre légal est là. Il faut vraiment juste l'approfondir. Ok. Et hum, moi, en fait, je vois vraiment trois défis aujourd'hui. Le premier, c'est sur la protection de l'enfance. Je pense vraiment qu'il n'a pas, hum, un peu comme l'a dit, je pense, euh, Issoufou de, Prisonniers sans frontières, mhm. il manque vraiment les, structures d'accueil d'enfants, que ce soit pour les cas d'enfants qui sont victimes ou même des enfants qui sont en poste carcéral. Vraiment, on est, on est en manque de, non seulement de structures d'hébergement, mais aussi de structures qui permettent une formation professionnelle très adaptée à ces enfants qui leur permettent après une réinsertion. Le deuxième défi que je vois, c'est hum, en fait la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que normalement la détention doit être utilisée en dernier ressort. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt un, recours excessif à la détention préventive, ah alors que pour l'intérêt supérieur de l'enfant, normalement, on doit vraiment dégainer toutes les possibilités pour qu'il finisse pas en détention. Et malgré ça, il y a quand même beaucoup de détention. Et le troisième défi que je vois, mais ce n'est pas uniquement pour les mineurs, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une absence totale d'assistance judiciaire. Donc ça veut dire qu'en fait, un enfant qui est dans un procès, il n'a pas droit à un avocat. Enfin, il a le droit dans les textes, mais dans, le, dans les faits, ça ne se fait pas. et c'est vrai pour les mineurs ou les majeurs, ce qui fait qu'en fait, il y a plusieurs situations où les gens finissent en détention, alors qu'avec la présence d'un avocat, il aurait pu être défendu et c'est un droit euh, de, toute personne d'être défendu. oui, toute selon la procédure pénale. Merci Guémette. Olivier, ça va Ça va et toi Tu vas bien Super, ça va bien. Alors Olivier, tu es venu avec quoi aujourd'hui Aujourd'hui, nous allons parler de la journée de l'enfant africain, bien évidemment, Ok. qui est célébrée le 16 juin. Donc on va faire un peu un tour dans la, dans la semaine, bien évidemment. D'accord. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir une fois encore dans la FADA. Petit rappel, le 16 juin est une date commémorative du massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud en 1976 par le régime de l'apartheid. Et depuis 1991, cette date est retenue comme étant journée internationale de l'enfant africain. À la graffité, hein. Et cette année, non, Rabi, la journée de l'enfant africain est placée sous le thème l'accès à un système de justice. Et eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons nous intéresser à cette phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous dit tout simplement les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Du coup, si cette phrase de la Déclaration universelle des droits de l'homme sonne parfois faux dans la tête de certaines jeunes, c'est parce que bah, l'inégalité est aussi criarde. Selon un rapport de 2012 de la Banque mondiale, 7 des 10 pays les plus inégalitaires au monde sont situés en Afrique. En 2012, le continent africain comptait 330 millions de pauvres contre 280 millions en 1990, ce qui laisse croire que le taux de pauvreté en Afrique, malheureusement, augmente au fil des années. Et je vous laisse imaginer les conséquences sur la génération future. En gros, je finirai cette chronique avec cette phrase d'Éric Dupont-Moretti, un avocat admirable français qui se bat jour et nuit contre les violences policières en France et bien évidemment qui défend la liberté. Il dit ceci, il y a un lien évident, direct, entre la pauvreté et la violence. Et puisque la violence est l'un des facteurs qui envoie les jeunes dans les maisons d'arrêt, je me demande, est-ce que la pauvreté ambiante ne représente pas une menace encore plus grande qui ferait envoyer beaucoup plus de jeunes en maison d'arrêt Eh bien, si jusque-là vous êtes en liberté, profitez bien de la liberté et faites attention à nos actes. Et faisons attention plutôt à nos actes. À nos actes. Bye bye, ravi. Bye bye, Olivier. Merci pour euh, la chronique. C'était fun. C'est la fin de tout ça, la fada.

sai mun ƙara haɗuwa cikin tusala fada yanzu abokin aiki na dundi shi kuma za su kara hira da shi shi kuma zai yi zance bisa kan tuskiya kuma voix de recours les de recours wannan yaran iska laihi in sun yi aka malahi ina ne ya kamata su tai wata kotu ce ya kamata su yi wanda service ne ya kamata su tai mine ne ya kamata a musu zai zo ya tare da wa'annan wanda muka gayyata sai mun kara wasu tusa lafara ko kuma ce lambar tamu da kuke iya ba mu ra'ayin ku a fuskan shi 80 shida 88 54 80 06 88 54 bye bye tout le monde